asalaamaaleykum suñu mbokk internet warha TV dal leen ak jàmm ci seen émission bu bees tàq indil de l'autre côté du canapé focus sur les DSSR ma ma avec mon ak chroniqueur monsieur Faye monsieur Cheikh Ahmadou Bamba Faye professeur d'économie familiale et sociale et également formateur en santé sexuelle et reproductive Nous sommes Ande, professeur pour le sur la santé sur les droits en santé sexuelle et reproductive monsieur Faye nous sommes la. war xam maa lay fay. vraiment di rafetlu tamit émission bi. Mhm. bi nga xamné moy premier numéro bi comme ni donc de l'autre côté du canapé, mmh. focus sur les droits en santé sexuelle et reproductive. Mhm. vraiment donc chaque nous ñu fas yéene waxtaane ci euh, euh, concept bobu nga xamni bobu boobu yag nañu koy dégg ci Sénégal ak fu ko wër sax et pourtant amna ay droit amna na ay règlement mais ñun ñu ci bari amuñu ci lu ñu donc loolu moy tax ñuy fas di waxtané fi donc ci sen numéro bu ñëk bi nak mooy euh, concept et définition avec nos besoins tey bu ñuy wax monsieur santé sexuelle et reproductive droit en santé sexuelle et reproductive C'est lan que vous voulez a ok euh, voilà Posez une question beaucoup large mm -hmm. si euh, droit en santé sexuelle et reproductive Vous mhm. voyez, dugg si loolu day baax ñu xam lan la santé sexuelle et reproductive vois. dañ koy définir si ce qu'on appelle un état complet de bien-être physique émotionnel -hmm sociale et mentale en rapport avec tout ce qui concerne la sexualité et la reproduction. Mm-hmm. donc c'est euh, ce santé sexuelle et reproductive. Mm concept bi définir euh, sous deux angles parfois on parle de santé sexuelle seulement. Mm-hmm. un état de bien-être physique émotionnel mental dans le cadre de la sexualité la santé de la reproduction un état de bien-être physique, mental et social en rapport avec tout ce qui porte sur l'appareil reproductif. D'accord. Car il y a des besoins de après mhm. sur le plan sexuel, il y a des besoins sur le plan reproductif. Mhm. Il y a des besoins aussi en même temps sur le plan sexuel et reproductif. C'est mhm. là où on parle de santé sexuelle et, repro et reproductive. muy euh, donc un concept pour large bo ramener a pour avoir une bonne santé dans le cadre sexuel et reproductif, il faut aussi avoir d'une façon ou d'une autre euh, une capacité de décider mhm. de sa vie mhm. sur le plan sexuel, euh, mais aussi une capacité de se reproduire sans pour autant subir des coercitions, des contraintes ou bien des violences. donc il y des il y a des droits. Hmm. Donc, euh, en, matière de santé sexuelle et, reproductive. Hmm. si droits droits droits sont les droits humains. Hmm. mais sur les droits humains il y a un en rapport avec la sexualité et la reproduction. voilà ce sont des droits qui émanent donc de de la liberté. de l'autonomie qui émanent aussi d'une façon ou d'une autre de ce qu'on appelle euh, en tout cas euh, la capacité donc de décider et aussi de procréer. Mm-hmm. Donc voilà, ce sont des droits qui sont en rapport avec l'or donc ay droit la yo xamni euh duñu droit yo xamni droit yu bok ci biir en tout cas des droits humains la voilà donc ci biir droits humains yoyu mhm. amna ci droit yo xamni c'est sur la santé sexuelle et reproductive mais mhm. euh, principe yi nga xamni mo moo mhm. droits humains d'une manière générale ak euh, principe de de ñëpp ko bokk ak ku ci nek am nga ko moko aussi mais da nga dafa am santé kon am sexualité peut-être am donc concept yu ñuy dajale. mais ben bu que ça dafa am lu muy signifier. voilà ndax tay jii mën nañ leen quand mhm. on parle de santé sexuelle et reproductive. Mhm. mais on peut comme ni ma la parler de sexualité en général. Mhm. y dégg ndax la sexualité dafa nekk un domaine très vaste. d'accord. voilà c'est un ensemble de euh, phénomènes. donc euh, sur le plan des attitudes sur le plan comportemental sur le plan donc euh, de l'attirance. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez des sentiments mm-hmm. Un ensemble de caractéristiques mm-hmm. qui tournent autour du sexe. D'accord. la sexualité, c'est un domaine très large qui ne se limite pas à l'aspect, comme on a l'habitude de penser, rapport sexuel. La sexualité, c'est une vie. C'est une, voilà, Mhm. C'est un aspect, je dirais même central, donc lié à la vie. Voilà. Maintenant, qui parle de sexualité parle de santé dans ce cadre-là. Mhm. Donc, c'est là où on parle de santé sexuelle. Mais aussi, il y a un autre aspect, comme nous le corrigez, qui peut permettre de parler de santé dans le cadre de la reproduction. Parce que les femmes qui ont besoins, ce sont des besoins sexuels. Sexuels, cassés. Mhm. Voilà la personne bi d'utiliser euh, des utiliser préservatif mm-hmm. lors de l'acte sexuel mm-hmm. elle a un besoin mm-hmm. sexu sexuel, mais elle n'a pas un besoin sur le plan peut-être reproductif du moment où euh, elle utilise cette, méthode. Il y a une autre personne qui ses besoins ne sont pas euh, purement sexuels, mais en plus des besoins sexuels, il, y a, des besoins donc repro reproductif peut-être moom bu defee rapport sexuel wala mon def des actes sexuels bon peut être na besoin bu petit charalé mm-hmm. dans le cadre reproductif Mais mm-hmm. ngi mel ni qui marié nekk en couple bu am mm-hmm. doom et tout Il y a des. d'accord Il y a d'autres yoo xam de quoi voilà comme nous ma la ko waxee dañuy dañuy am les deux à la fois mais nag mënoo am des besoins reproductifs euh, sans pour autant euh, <laughs> voilà penser à la sexualité donc nous, contourner Sauf si on parle peut-être des, nouvelles techniques de procréation, insémination artificielle. Euh, fécondation in vitro et tout. C'est ça. Voilà. Euh, dinañu ñëw parce que comme nous ma dit, c'est une série d'émissions qui va venir tous les mois sur Waka TV. et dinañ gis ni dinañu ñëw ci ay thématiques yu gën spécifique, parce que dinañu ñëw ci stéréotypes TV, dinañu ñëw ci genre dinañu ñëw ci conception Dina dinañu ñëw détail par détail. parce que comme nous nga ko santé sexuelle et reproductive dafa large. dafa dafa vraiment nekk domaine bu large boo xam ni ah, dinañu ñëwaat ci benn par benn. mais tey bu ñu tu ci droit yi. Mhm. wax santé wax ci reproduction bi comme tay dit, wax nañ légui ni mhm. mën ngay am besoin sexuel te do am besoin reproductif mais ñun sommes suñu société ak ni muy doxé mhm. dañu corroler les deux choses genre accepté wuñu mhm. nga am besoin sexuel sans pour autant nga am besoin reproductif loolooy tax tous les mécanismes yu ñuy jël pour véritablement favoriser wala pour en tout cas ñi am besoin sexuel ñu mën ko am ci anam yu gëna baax souvent mécanisme yoy dañ koy day nax en fait ça c'est sûr ndaxte communication bi ak nga une réalité socioculturelle du ko du trop bu définir la santé dañuy un état de bien-être physique émotionnel mm-hmm. mental mm-hmm. d'une façon générale mais ne consiste pas à l'absence de maladie d'infirmité ou de dysfonction mm-hmm. voilà tam c'est pas parce que nit ki feebarul rek ñu ne euh, cette personne a un bon état de santé sexuelle. Mm-hmm. Donc l'absence de maladie ne signifie pas avoir un bon état de santé. Mm-hmm. Est-ce que vous voyez Maintenant, définition santé générale mais aussi si définition santé sexuelle et reproductive. xam naa après dinañ ñëw ci droit yi les différents droits. effectivement mën leen citer. parce que ouais que man comme man mi ah. ak ñi mm. ñuy seetaan on découvre. <laughs> on découvre donc on n'est pas véritablement des spécialistes en la matière. mais mm. comme ni nga koy waxee kon. Mm-hmm. droit. santé sexuelle et reproductive. plusieurs termes la ñu bu si nek dem ak wax nañ santé. wax sexualité. wax nañ besoin de reproduction. reproduction même si ci. Mhm. sax le fait de vouloir am ay du jour du jour donc kon sa wér-gu-yaram manière générale sa sexualité ak sa reproduction loolu yëpp nekk ay pàcc yu différent mais également mhm. ñu am nag ay droit yu leen ëmb yooyu yëpp droit yooyu est-ce que mën nañ ci ñëw voilà droit yooyu dañoo dañoo bëri mhm. euh, ñu ngi koy euh, natt ci dix dix mhm. droit voilà ci droit waaw bi ñëpp mooy euh, le droit à l'égalité droit à l'égalité droit à l'égalité et l'égal protection devant la loi, mhm. sans tenir compte euh, de la sexualité de la personne, mhm. de son sexe mhm. et de son genre. Donc toutes les personnes doivent euh, avoir une euh, même protection devant la loi, mais aussi doivent être traitées de façon égalitaire. Donc l'OLO, c'est un, droit. Donc amna d'une façon ou d'une autre le droit euh, à la vie, mhm. à la santé et mhm. à la sécurité. Mhm. toutes les personnes aussi doivent bénéficier de ce droit à la vie, à la sécurité euh, et aussi à l'intégrité surtout. D'accord. Donc, on a un, de viol et tout. Oui. La personne ne doit pas, je dirais même, subir viol euh, voilà, dans une société juste mais viol culture du viol l'olip, épisode à part très bien Mais tu surtout l'homme. surtout mhm. mais voilà donc euh, acte yi nga xamné mom day jugé ci mom da wara consensuel donc c'est c'est un c'est un c'est un aspect il y a le droit à l'autonomie à l'autonomie voilà euh, à l'autonomie d'une façon ou d'une autre la personne doit être autonome mhm. dans le cadre sexuel prendre des décisions, mm-hmm. voilà, euh, ne, doit pas subir des, euh, carrément totalement il mm-hmm. y a une contrainte, si toutefois c'est une personne majeure il ne peut pas empêcher par exemple de vivre sa vie donc euh, comme il lui faut mm-hmm. donc là, ce sont des aspects à prendre en compte il y a aussi en tout cas le droit à l'information et à l'éducation toute personne aurait ce droit-là mhm. de recevoir les informations qu'il faut, dans le cadre de la sexualité, mais aussi d'être éduqué. Mhm. On, doit même parler de l'éducation sexuelle. D'accord. comprendre. Mhm. Le droit aussi à la vie privée. Euh, dit, vie privée bon... Euh, il très bien avec les réseaux sociaux. Mm-hmm. alors que c'est un un droit le droit à la à la vie privée le droit à l'opinion mais aussi à l'exprès l'expression mm-hmm. la personne doit avoir le droit donc de donner son opinion mais aussi de s'exprimer mm-hmm. dans le cadre de sa de sa sexualité le droit aussi à la santé à la santé d'une manière générale voilà de façon générale Mm. C'est un droit qu'il faut tenir en compte. Le droit de se marier ou non, mm. de fonder une famille ou, non, mm-hmm. de planifier ses grossesses ou non. là, c'est un droit. C'est un droit. au Sénégal, wax ne droit la du yomb ndax ñu bëree bëri moom dañ ko. norme bi mooy. voilà mooy euh, il faut se marier il faut faire des enfants. voilà et je pense que bu ñu ñëwaatee ci épisode bu ñu jagleel stéréotypes yi norme yi dinañ ci ñëwaat. mais également temps yi dañuy reetaan parce que ANDS dafa génne euh, étude bu mujj. wax ni góor ñi ñoo ëpp jigéen ñu Sénégal. et donc man ak samay morom alors dañ ni dañuy damay takk ñaareel parce que jigéen ñi. sont deux fois plus nombreuses que les hommes. et donc aujourd'hui, la science a prouvé le contraire. contraire. Donc je sais que. Donc, on peut dire Voilà. C'est surprenant d'ailleurs. <laughs> euh, bon, c'est rare de voir. Euh, une population bo xamné proportion bi. Mm-hmm. góor ñu ñooy ëpp jigéen bi. Ah. lolu bon man maa ngi euh, mm. je dirais même seetlu au Sénégal <laughs> maintenant nak mën nañ côtoyer yeneen dëkk yi xol ndax lolu amna fa mais c'est très rare. Mm-hmm. car dans la normalité dañuy naan jigéen ñoo gëna a non mais ça est ce que c'est la normalité ou est ce que c'est une croyance. waaw <coughs> bon c'est une bon je dirais une croyance mais d'une façon générale mm. les les les les femmes ñoom ñoom ñoo doon ëpp. waaw bii eh, paa ñoo ëpp léegi nag. bii yoon moom ëpp bi ngeen ëpp nag <laughs> ñun dinañu xool yan yan motowaay la ñuy jël. <laughs> ba am pouvoir yi ngeen amoon bi ñu leen ëppee. <laughs> donc kon euh, comme ni ngeen ko xamee tey suñu numéro bi ñu ngi si waxtaanee mbirum droit santé sexuelle et reproductive. monsieur Faye wax nga euh, hmm. droit yi. pare nga ci wala am na benn bu ñuy wax hmm. droit. à la responsabilité et à la réparation. voilà comme dernier droit mhm. donc euh, droit à solo. Mhm. toute personne doit avoir mm, la capacité de prendre ses responsabilités en matière de sexualité mais aussi si on subit un préjudice. Mhm. Euh, euh, donc cette personne doit bénéficier d'une réparation. Une réparation. voilà xam dédommagement peut-être ay peine l'auteur de l'acte mais moom la ñuy tuddee droit à, à, à la responsabilité et à la réparation. et à la réparation voilà donc quoi. parce que comme nous ñu ko nous avons gis nañ ni dix droits yi ñu fi énuméré yëpp. na pourtant ci charte des droits humains yi nga xam ni. moo ëmb société bi ak nu muy mais également mu doon ay droits yu am solo ndax bu ñu revenir ci droit à la responsabilité tout nit ku si nekk majeur et vacciné wala en tout cas des jeunes même s'ils ne sont pas majeurs bu fekkee ni hmm. au préalable am le droit à l'information et à l'éducation kon bu ñu amee information ba ca war xam la ñuy def war nañu mën a jël nag seen responsabilité pour di assumer li ñuy def ak conséquences ci tey jur wax nañ itam ci consentement wax nga ko dafa am solo parce que sexualité à des cas am ay cas exceptionnels on peut se le dire mën na hmm. des actes autonomes mais pour la plupart du temps en tout cas looy seq ak sa morom la et donc war nga sàmm yelleef ak àq keneen ki sam sa ak sa yelleef donc ñun waruñoo top rek lu ñu bëgg di dem ci lu ñu neex te pourtant suñu yarin hmm. euh, dafa melni ni euh, diriger wuñ ko vers ça surtout l'homme. L'homme, tamit tamit am solo la ndax sexualité il y a mhm. ce qu'on appelle la sexualité responsable. oui euh, ñu bëri bëri duñ mhm. euh, comme nous la la mhm. sexualité euh, occupe une place centrale dans la. vie toute personne aurait une vie sexuelle à gérer. carrément. ah oui qu'on soit sexuellement. actif, ou non. la personne qui s'abstient mais elle a pris une décision sur sa vie. carrément sexuelle. Mm-hmm. donc ça montre que vraiment ça toucherait tout le monde. Mm-hmm. maintenant comme l'on le ko comme sexualité responsable tout mm-hmm. mais avoir des comportements ce sont des euh, comportements bien réfléchis. des pratiques des attitudes responsables dans le cadre de sa sexualité. Donc, y euh, ci quelques points. li ci avoir ce qu'on appelle la maturité émotionnelle. voilà la euh, maturité émotionnelle très bien maturité émotionnelle quand on parle de sexualité responsable mm. moi, tax technique qui m'a fait des choix Il y a les choix qu'il faut mm-hmm. y mais aussi il maîtriser ce qu'on appelle une maîtrise de soi mm-hmm. euh, par rapport à ses désirs et mm-hmm. tout car c'est ce que nous euh, différencie un peu je dirais je m'excuse des animaux très bien cette capacité de raisonner voilà xool luñu wara def luñu ñu waxta def. voilà loolu lu am importance la euh, être conscient. Mhm. et toujours réfléchir avant d'agir. Mhm. c'est un acte responsable. voilà euh, quand on est en relation aussi car bu wax jeunes tay il serait difficile nga ñëw na leen do leen en relation. Mhm. mais sañ nga ne leen bo leen en relation amna no noo leen de façon beaucoup plus responsable. Moi, ne pas penser à soi seulement voilà, penser à l'autre d'une façon ou d'une autre nous aussi respecter ses choix. Ses choix. Voilà. Et veiller avoir son consentement. Surtout Et de ne pas se dire que, ok, si elle ne dit rien, c'est parce qu'elle est d'accord. Si elle a accepté de me rejoindre dans cet espace, c'est parce que a dit ni lii suis na si jóg. parce que ça elle yi invité nit ki piscine party wala nga invité ko yenn si appartement surtout Mon bu qui ki buy ça ça veut pas dire qu'elle est d'accord si le plus mën me surtout nga ko invité elle est dans ce yenn là donc bis vous avez bu envie d'aller au-delà de ça. très bien il faut se il faut un consentement bi ci wara surtout et à défaut ce n'est pas un besoin partagé. un besoin surtout mm-hmm. connaître les limites en termes de relation. comme on nga ko c'est ça bu peut-être ça peut être mal vu. mais c'est pas parce que def que tout est permis. que tout est permis. voilà donc euh, si on pense à elle. Mm-hmm. peut-être aussi on saura qu'il y a des limites. Euh, donc euh, même le fait de s'informer avoir l'information qu'il faut rek. Mm-hmm. Euh, ça fait partie de ce qu'on appelle la sexualité responsable. Connaître comment on doit éviter les rapports sexuels euh, non protégés, euh, les risques liés aux rapports sexuels non, protégés, mouille grossesse, mouille IST, hum. à tout ce qui s'ensuit et leurs conséquences. Donc là, c'est une pratique donc, sexuelle qui peut être en tout cas responsable. prendre en compte les suggestions positives venant des autres nul n'est parfait. non non parfois les gens qui que da ngay soxla loolu ku orienté mm-hmm. dans ce cadre d'affaires. Mm-hmm. mais le fait aussi de s'assumer mm-hmm. oui s'assumer dans le cadre de la sexualité ndax tey une personne qui enceinte une fille qui prie la fuite. mais là elle, ne s'assume pas. et pourtant de façon responsable lui olof li am amna na ba pare mënoon nañ ko gérer en tout cas d'une autre façon hmm. donc yooyu day bok ci ñuy wax euh, voilà les comportements responsables liés à la sexualité responsable hmm. peut-être lool bu ci jeunes yi tënkoo mën na leen permettre ñu éviter yenn dérives yi hmm. voilà ak yenn conséquences yi d'accord donc bala ñuy ñëw ci suñu yu mujj ci question yi mujj ci suñu numéro bi dem nañ seeti Djipora elle est venue ñom c'est une association Roisef qui travaille dans ce cadre mais également certaines organisations, organisation société civile en tout cas des jeunes ou même des féministes ou d'autres qui se préoccupe de sur la santé reproduction Nous def activités ñu activités promouvoir les droits en santé sexuelle et reproduction parce que avons Sénégal nous yu et donc la santé sexuelle et reproductive mais également pour nous mhm. sensibiliser nous recevoir Oh. Euh, on définit d'abord la santé sexuelle et reproductive donc qui est un état euh, un bien-être euh, physique mental et qui concerne aussi tous les aspects de de la de la de la reproduction et pour avoir accès à cela, il faut des droits qui concèdent vraiment cette santé sexuelle et reproductive. Donc c'est en ce sens-là que les droits sexuels et reproductifs, donc surtout spécifiquement au Sénégal, on parle de droits à la santé sexuelle et reproductive parce que mm-hmm. les termes ne sont pas les mêmes. Euh, donc le, positionnement ici au Sénégal, c'est sur les DSSR, donc les droits à la santé sexuelle et reproductive qui sont mm-hmm. différents d'autres, les droits sexuels qui sont plus englobants et d'autres types de droits également il y a beaucoup de besoins liés à la santé euh, sexuelle et, reproductive, euh, aussi bien pour les adolescents et jeunes, mais aussi la santé sexuelle et reproductive prend en compte euh, la santé maternelle et néonatale. Donc, en ce sens-là, il y a beaucoup de, manquements, donc il y a beaucoup de gaps à résorber par rapport à ces questions de santé. Déjà, par rapport à la reconnaissance, puisqu'ici on parle de droits, la reconnaissance de certains droits à la santé sexuelle et reproductive. Et je m'en veux pour exemple euh, l'accès à l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Euh, donc, il y a un plaidoyer qui est porté depuis des années. Euh, et pourtant, le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo euh, qui confère ce droit-là. Et on, voit que dans notre législation interne, nous n'avons toujours pas ce, euh, droit-là qui est consacré. Donc il, est important de revenir déjà sur ce manquement lié à, l'accès, l'accès au droit. Et d'autres, euh, sur un autre pan, lié surtout à, aux structures sanitaires. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a des manquements par rapport aux structures sanitaires. Et aussi, il faut parler de l'accès déjà à, l'information sur la santé sexuelle et reproductive, ce qui est important surtout pour les adolescents et, jeunes. Je, dirais adolescentes parce que je suis tout le temps sur la thématique avec les jeunes femmes, mais ça concerne les adolescents de manière générale et les jeunes surtout par rapport à l'accès à l'information de qualité sur la santé sexuelle et reproductive. La deuxième chose, c'est l'accès aux ressources parce que la santé a un coût et aujourd'hui, on se rend compte que voilà, euh, le niveau aujourd'hui de la pauvreté aujourd'hui qui sévit et tous les problèmes économiques, donc les gens ont quand même des difficultés à avoir euh, accès à ces, services de santé. Donc l'autre chose, c'est par rapport à l'accès à ces services en tant que tel. Donc déjà par rapport à l'accessibilité des services, donc ça c'est un problème qui se pose euh, actuellement avec acuité au Sénégal. L'autre chose, c'est comment faire pour que les, surtout les jeunes, parce que je travaille surtout par rapport à cette frange, Comment faire pour que ces jeunes puissent avoir la possibilité d'accéder librement à ces services de santé-là Donc, surtout lié à la planification familiale. Donc, il y a tout un euh, tout, un tabou euh, autour de cette question-là. Comment voilà, un jeune peut aller fréquenter un centre de santé sans pour autant avoir ce regard de la société. Donc on a essayé de créer des centres ados et tout cela, mais jusqu'à présent il y a ce manquement-là. Et on voit qu'aujourd'hui ça pose beaucoup d'autres questions. Donc, on voit les grossesses non désirées, donc il y a l'abandon scolaire, la dépédition scolaire. Donc tout ça, ce sont des, des, des limites et c'est lié surtout aujourd'hui à ces manquements liés à la santé sexuelle et reproductive. Donc, Aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de choses à faire euh, par rapport à ça. On voit qu'il y a euh, des efforts qui sont faits, surtout par les organisations de la société civile, pour les informations entre pairs, parce qu'aujourd'hui, euh, on a parlé de euh, l'éducation à la vie familiale, puisqu'on ne veut plus parler de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Donc, peu importe comment on l'appelle, mais aujourd'hui, il est important que les jeunes puissent avoir accès à l'information, parce que le souci, c'est que si ces jeunes n'ont pas accès à la bonne information, eux, ils vont sur Internet ou ils demandent à leur père qui n'y connaissent pas grand-chose. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il y a autant de soucis-là en, tant que, en termes de prise en charge de certains besoins en termes de santé sexuelle et reproductive. Donc il y a vraiment euh, beaucoup de travail à faire sur la communication et on voit qu'aujourd'hui, entre pairs, beaucoup d'organisations euh, travaillent sur la communication entre pairs, comment faire pour que les jeunes puissent avoir accès à la bonne information sur la santé et que les services aussi euh, de santé sexuelle et reproductive puissent être améliorés et qu'ils puissent être accessibles aussi. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un service, encore faudrait-il rendre les services accessibles aux populations et surtout, surtout aux jeunes. sur les questions de PF, la euh, planification familiale, il y a, beaucoup de choses à faire euh, par rapport au choix. Parce que la question des droits à la santé sexuelle et reproductive, ça ramène la question de euh, de l'autonomie corporelle. Euh, de, euh, et ça, c'est une question qui est essentielle, le fait de pouvoir choisir aujourd'hui si on veut procréer ou pas, comment on va le faire. Donc, c'est autant de questions qui se posent et aujourd'hui, je pense que c'est des questions qui sont d'actualité et les gens se mobilisent autour de la question, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Sur l'axe sensibilisation, on essaie de, euh, pouvoir euh, créer des cadres d'échange euh, entre les jeunes et, avec les spécialistes de la santé, donc sur certaines questions qui sont liées aux violences, parce que les, violences aussi ressortent de ces, questions de santé sexuelle et reproductive. Donc il y a beaucoup de violences autour, donc euh, de ces, de ces questions-là. Donc nous, nous essayons vraiment de créer des cadres d'échange et de partage entre les, les jeunes, entre jeunes, entre pères jeunes déjà, mais avec les jeunes aussi, euh, dans le cadre de dialogue intergénérationnel que nous faisons dans, dans les communautés. Donc on a également un large programme sur les violences basées sur les gens. Donc je reviens de Djourbel où nous avons euh, avec euh, Adouvedev, un projet de lutte contre les violences dans certaines régions. Et c'était important d'aller toucher euh, surtout des, cibles qui sont dans des zones reculées, mais également des zones que nous n'avons pas l'habitude de toucher. Donc pour nous, au niveau du ROAGEF, c'est vraiment euh, un aspect, nous essayons de, trouver de toucher les zones, les zones qui d'habitude ne sont pas ne sont pas ciblées par les organisations, ne sont pas en tout cas très bien ciblés par les organisations. Donc, je vous donne l'exemple des universités où nous avons un projet de lutte contre les violences basées sur le genre euh, dans les universités où nous essayons de travailler aussi bien avec le personnel administratif, technique et de services des universités, mais aussi avec les étudiants, parce que souvent on pense que l'université est une zone, voilà, euh, c'est un temple du savoir et que parfois on oublie que c'est un, espace où se produisent et se reproduisent les, violences. Donc euh, nous essayons d'investir ces cadres-là, mais aussi nous travaillons beaucoup sur le plaidoyer. Donc, on avait euh, travaillé sur le plaidoyer. Donc, le réseau, depuis que le réseau existait, travaillé sur la loi sur la parité, la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie. Donc, euh, sur les questions liées aux droits des femmes, donc beaucoup de plaidoyers pour vraiment arriver à des changements, surtout par rapport aux droits, qu'on puisse vraiment concéder ces droits-là et que ce soit effectivement appliqué. Donc, l'autre chose, c'est le plaidoyer actuellement que nous faisons euh, par rapport aux structures de prise en charge des survivantes de violences. Euh, c'est important parce que euh, après l'adoption de la loi, l'idée c'était vraiment que nous ayons des structures, beaucoup de structures accessibles par rapport à la prise en charge des survivantes de violences. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une insuffisance de structures. Donc nous essayons de faire un plaidoyer au niveau régional. Donc c'est avec le Bénin, le Burkina et le Sénégal pour faire en sorte vraiment que les États puissent prendre des mesures pour mettre en place des centres euh, qui pourront prendre, surtout de manière holistique, hein, parce que nous, on se rend compte que, par exemple, les boucliers de droit font un excellent travail, d'autres structures également font, font, un excellent travail, mais aujourd'hui, on n'a pas une structure où on peut prendre en charge de manière holistique, donc que ce soit au niveau sanitaire, médical, donc, euh, euh, mais également au niveau social, la prise en charge psychologique. Donc, il y a énormément d'aspects à prendre en compte par rapport à une survivante de violence, on se rend compte que voilà, cette prise en charge holistique n'est pas toujours de mise, ce qui pose un réel problème par rapport au suivi des cas. Donc c'est pour ça aussi nous avons un problème de données parce que souvent c'est des structures qui sont, qui sont éparses et qui ne permettent pas de suivre euh, l'évolution des cas. Donc souvent quand on demande euh, un cas, surtout les cas médiatisés. Après quelques années, on n'a plus de nouvelles par rapport à ces cas-là. Donc c'est important qu'on puisse avoir vraiment un suivi effectif et nous, nous essayons de travailler, faire en sorte d'alerter, de plaider pour que vraiment le gouvernement aussi puisse respecter ses engagements et vraiment travailler à à lutter contre ces violences, mais aussi à mettre en place des structures euh, de prise en charge euh, holistique des, survivantes de violences. Le message serait vraiment d'appeler tout le monde à se mobiliser autour de la question des droits à la santé sexuelle et reproductive, euh, qui sont des questions importantes. il faudrait vraiment renforcer la communication parce que que ce soit euh, les maladies aujourd'hui, le VIH est en train de, euh, reprendre euh, une, place importante. Donc il y a des chiffres qui sont, qui sont quand même alarmants par rapport à la situation d'avant. Donc il y a toutes ces questions de grossesse non désirée, la question des mariages d'enfants. Donc il y a beaucoup de problématiques euh, où il faudrait vraiment une mobilisation de tous les acteurs de la société civile et de, vraiment de, plus en plus de travailler en synergie, surtout avec les organisations de la société civile, qu'on puisse vraiment euh, aller dans une dynamique de synergie euh, pour travailler ensemble, mais également arriver à co-construire avec l'État aussi des stratégies pour arriver à des impacts dans nos communautés. Il faudrait également à l'endroit des, gouvernements beaucoup plus d'efforts allant dans le sens de, de multiplier vraiment les efforts en matière de santé. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font sur les questions de santé, mais qu'il faudrait renforcer. Et surtout par rapport à la prise en, prise en charge des, survivantes de violences, il faudrait vraiment euh, travailler à la mobilisation de tous les acteurs et aussi décloisonner euh, les, secteurs d'intervention, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que les questions de santé sont liées aux questions d'éducation, euh, les questions d'éducation aussi liées aux questions environnementales. Donc, il faudrait vraiment arriver à avoir des dynamiques transversales pour prendre ces, ces questions-là, pour aborder ces questions-là, essayer de trouver des solutions donc, euh, pérennes à, toutes ces difficultés-là. alors vous Faye je vais vous la d'accord donc lan la mën a aussi yow lan nga mhm. informer les jeunes

et l'information ne sera pas perçue. Voilà, donc l'éducation par les pères, donc tamit lu am solo mhm. mais aussi euh, s'accentuer sur les besoins. Mhm. Je yi pour nous il faut nga xam lan mooy besoins Les gens ngay wax ak ñoom fii fekk ñoom ñoo mhm. donc les léeg nous leen exprimer sans jugement xam seen besoin dina tax yow nga apporter des solutions pour fekkee am nañ ay problème yaa ngi dégg donc loolu selon am solo la ñun en tant que jàngalekat am na cours yoo xam ne ba koy def daan nañ jox élèves yi des petits bouts de papier ñuy bind seen questions de façon anonyme mm-hmm. voilà mm-hmm. kenn du bind tour kenn du bind dara mm-hmm. je reçois que des questions effectivement voilà après su ma jëlee questions yi nag mais essayer de répondre autant possible. waaw dina ma leer ne sama cible ñoo ma poser li té li mhm. lu len yitteel effectivement <laughs> yaa ngi carrément voilà li ma leen di répondre tamit day day day euh, méngoog li nga xamné peut-être ñom en tout cas euh, lool lañ bëgg xam wala mo nekkoon seen i. préoccupation voilà. Mhm. mu mel mhm. parce que lu ma bëgg wax moy ci mbirum santé sexuelle reproductive. dafa am tabou en fait. ça c'est

tey famille bi moi li mm-hmm. on devrait pouvoir parler de sexualité au sein de la famille. Mm-hmm. éduquer les personnes là dans le cadre sexuel au sein de la famille. effectivement loolu lu wara mëna nekk la. Mm-hmm. parent mën ko def dégg de l'entourage aussi war ko de façon responsable donc euh, voilà alors c'est un aspect. loolu amoon na solo mais bu njëkkaan suñu ah, société dañ la doon wax ni bàjjan yi en général loolu moo nekkoon seen rôle ça c'est sûr mais léegi suñu réew ak nu muy demee ay famille nucléaire la ñu am ça c'est sûr donc le rôle di boole nga am ay bàjjen jeune quoi bàjjen yoo xam ni non seulement mënuñ ñu ko mais bàjjen yoo xam ni mm-hmm. Mm-hmm. ak famille ba sax dëkkatuñu donc kon xam nga créé woon nañ benn am na vide bu nga xam ne nii mooy tax xale bi nga xam ne bàjjenam moo ko waroon wax si wax yooyu bàjjen bi dëkkalutul ak moom donc bi amatul accès si moom pour conscientiser ko benn beneen bi muy même ci rôle historique bàjjen boobu sax mm-hmm. bàjjen bi kañ lay commencé initier xale bi mooy bu xale bi demee ba am jëkkër wala bu xale bi demee genre Euh, même quand, quand il s'agit des menstrues, des règles, vrai. souvent, mhm. c'est pour xale bi mais ba devant le fait accompli. ci lañ koy woo ni ko waa léegi nag commencé nga gis règles. ça c'est ah, la laa rek c' fini. donc même ci condition yooyu information il lay jox. dëgg la du donne véritablement les vraies informations. ça c'est sûr nga ñëw ci école bi. surtout ñun suñuy temps mhm. amoon éco euh, écofemme. écofemme bon moo am ba léegi économie sociale. et euh, économie familiale et sociale. mu professeur Ndéthic. Mhm. xam naa ni di nga ñëw ci ah, élèves am nañ intérêt bu bëri ci cours boobu. parce que au delà de ce cours. dëgg gëmuma ni am nañ beneen espace. buñ ko war a mën a mhm. defee. surtout te man je que <coughs> sax dafa tardive. ci moment bi ngay. Mhm. commencé de cours yooyu. c'est vrai quatrième le woon non. Wa, quatrième ba quatrième mais un programme c'est de la sixième. à la troisième ok mais quatrième à troisième la ñuy gën prioriser. tu vois parce que ñun suñuy temps c'était mm-hmm. en quatrième. mais quatrième boo fay ñëw monsieur Faye fekk nga. yow nga gis say règles, ba y bu dee jigéen. surtout surtout donc déjà tu es plein dedans mais au préalable genre amuñu benn mécanisme de préparation. surtout pour jox les bonnes informations. Aussi. Surtout l'or, surtout l'or. La ligne à sang de femmes solo, mm. moi, une famille composée, on a des changements. Mm. Moi, moi, moi, moi, nous sommes des parents, nous sommes assumés. Effectivement. Il y a des mm. éducation sexuelle, il y a toi. Hein. Mm -hmm. Tu dit, l'hygiène génitale, ça donne bien, nous sommes. 5 ans, 6 ans, je mm -hmm. ne peux pas mettre toilette pour parler d'elle. Pour nettoie bien tes parties génitales. Mhm. Mais on est en train de faire de l'éducation sexuelle. Effectivement. Ça donne but ibi ay tànkam étant jigéen. Mhm. nee na ko avons du que nous avons bu baax. Mhm. mais avons ngi éduquer. sur le plan sur le plan sexuel. Ça donne bien nga xam ne une na règle yow parent bi war nga am des notions sur le cycle menstruel. Mm. ndax comme ni nga ko waxee léegi tam affaire yi xaw na changé. xam nga peut-être bu njëkk ba yenn parents yi jànguñu woon amuñu woon yenn information yi mais tey jii muy yaay di papa mag wala keneen koo xam ne am nga yenn information yi war nga ko mën a véhiculer. Mm-hmm. de façon responsable vers les autres yi nga ñoo ndaw mhm. donc loolu mhm. comme nous, euh, euh, après après euh, kër mhm. école la cadre d'échange la discipline yi lay permettre ñu a yenn questions sur le plan sexuel les droits la santé de la couche en général c'est un peu rare il il y a l'économie familiale il y a les sciences de la vie et de la terre SVT te ñom benn partie moy wax ci reproduction voilà Les les sax am ñoo ne duñ ci yegg ndax tamit ji. Ci fin de programme très bien Amna sax ñoo xamné tam dañuy survoler parti bobu. te pourtant les élèves dañ ci am ay besoins dañ koy yitewoo mhm. ñu mais amna na ñoo xam ne ñu à l'aise foog nañ ne bo waxé lu jëm ci sexualité avec des enfants dañ lay yàpp donc il faut aussi qu'on soit prépa préparé mhm ndax lu ñëw rek dañ naan xalé yi xalé yi mais ñi wara ñi wara préparer xalé yi. Mm-hmm. bu dee ñooñu jekkuñu yoruñu les bagages qu'il faut. Mm-hmm. xam nga bu boba joxe information day jafé day jafe en dehors aussi de l'école école y a les médias. les médias oui. ce sont des canaux yo xamné ne ji war nañ fexé ñu fay jël la bonne information. Mm-hmm. li nga xamné peut-être euh, amuñu ko kër ga ak école am nous nu ko média bi mën véhiculer. Mhm. nous xamné dinañ ko Les percevoir comme nim comme Nous waré mhm. bu ñet yoy nak Les dess des mbedd mi. waaw mbedd mi nak mom géré ko yombul. yombul de <laughs> ndax ya keroog ñu ngi les oui li ci ëpp mhm. ah mën nga am une bonne information mais tamit li si ëpp mbedd mi euh information nga fay jël itam mën na bañ li nga li té bu boba tamit euh, bo deful ndànk yaq lay gëna a ko défar mhm. maintenant nak y a euh, ce qu'on appelle une communication ouais. dans le cadre communautaire effectivement des activités yo xamné nit ñi dañ koy mëne mhm. mbedd mi la koy mëna a def té débat def sa benn causerie. def sa mobilisation sociale. très bien mobilisation sociale. Mhm. yaa ngi dégg. pour mëna échanger ak population bi les jeunes ont les informations qu'il faut donc euh, ce sont des canaux qui sont vraiment mën tax l'information qu'il faut dans le cadre sexuel et et c'est ce que les organisations font les organisations communautaires de base surtout un entretien individuel en général base de nos et tout surtout parce que je pense que le projet de ces, de ces, de ces acteurs communautaires man relais communautaire là mais c'était juste pour relais yi mën a waxtaan ak yi de leur âge bàjjan yi dem ci même si aujourd'hui je le dis souvent en rigolant que ni les bàjjan on ravi la vedette au relais alors que relais est itam ñu ngi ñu ngi et ñu ngi def toujours liggéey bu am solo ci sensibilisation Bon. mais également bon, si suñuy nu ñuy xalaatee sax bu wax mm. éducation sexuelle souvent sans même le vouloir on pense aux filles quoi aux filles ok aux filles mais les hommes les petits garçons un <laughs> mécanisme de sensibilisation ou de conscientisation société parce que souvent quand on parle de sexualité en tout cas même badjan on la du et donc le peu de mécanismes de de une société sur place c'était pas des mécanismes inclusifs parce que Dieu nous ça en charge le besoin des hommes. parce qu'effectivement, dans notre société, on n'éduque pas les hommes tout sur le plan sexuel. L'union a le bon que jigen qui l'ont Parce que mon l'ennemi, ok, en tant que jigen, de retenir sa propre bosser. D'ailleurs, toute la culture qui tourne autour de, de la virginité, règles, tout le monde, célébrer, l'olive. Mm-hmm. Et après, ça me fait penser, je me dis, ok, parce que la société est obsédée par la production la reproduction au sein de moi. et donc comment canaliser cette reproduction là comme que ku que un peu, c'est vrai il faut une focus sur bon sur comment elle peut s'abstenir. Mais le mec, lui, le garçon, il peut tout faire. et donc ça, ça ne profite à personne. Parce que même ce nous jigéen bi bon ko y mu toog réglé ci biir kër régler. comme ni ko société il y a te ku góor ki yaroo ko surtout là. tu vois et donc je pense que si nous avons l'éducation éducation sexuelle nous nañu penser équilibre penser pensons naka nous ñu mën a mais également joxe les bonnes les bonnes informations parce que si les femmes si les filles, si la société a de bonnes informations, je pense que nous sommes pas les Tu vois, et je pense que Taboubi, mhm. Estroïtibi, mhm. donne le euh, duñu jug ci graawaale comme niñ koy waxee. ça c'est sûr jëmale ko ci santé sexuelle et reproductive. et je pense que moy nek le sujet de notre notre notre de notre prochain numéro. Inchallah. et que ah man ak monsieur Faye dinañ dalal aussi docteur Jean Diaw. bi nek sexologue aussi. et donc pour gëna mëna mën ci walu stéréotype yooyu ci wàllu éducation ci walu tabu boobu nga xam ne la société la sexualité doon na ko. surtout kon ma bàyyi la nga tàggatoo ci premier numéro bii ñu indi doon Euh, internautes yi de l'autre côté du canapé et puis joxe rendez-vous semaine euh, prochaine fois ak sujet boobu nga xam ni moo jëm ci wàllu tabou ak stéréotype ci wàllu sexualité ok ah vraiment maa ngi lay remercier bu baax Orkha si plateau bu yanj bi itam ñu eh. toog canapé yi moom xam naa <laughs> damay ragal buñ noppee duñ fi a jóg sax <laughs> macha allah mhm. thème am solo mhm. ndax tamit euh, gis li nga xamné ne war nañ ci wax ñu wax ci lolu vraiment c'est c'est c'est une nécessité té comme ni nga ko waxé ñi wax ci sexualité si droit en euh, termes de euh, santé sexuelle et reproductive mm-hmm. xawna xawna rar euh, comme ni ko waxé nak lu yaatu la lii kon patch bu njëkk bi mm-hmm. yeneen itam dañ koy and ak yeen rek donc de l'autre côté du canapé mm-hmm. focus sur les droits en santé sexuelle et reproductive voilà donc vraiment merci beaucoup et eh, à bientôt. Merci, à bientôt, inshallah.